gannaaw ñetti at yu mu def euh, ca Lorient ca France Zarko Touré ren changé dëkk ak championnat dem fële ca Turquie xaatim nag benn contrat wu ñetti at ak sport di équipe turque boo xam ne daaw mi ngi terminé à la cinquième place Zarko Touré diñu jox information ci wàllu adaptation ci wàllu championnat bi waaye nag diñu wax lu tax mu gëj équipe nationale bu Sénégal. salaamaaleykum je me présente Toué, joueur international sénégalais qui joue à Sport en Turquie. Sarko, est-ce que vous avez nous sa adaptation dans la Mon adaptation en Turquie s'est bien passée. Ils m'ont bien accueilli les joueurs, les dirigeants et ça s'est bien passé. Et mon temps de jeu aussi, ça se passe bien. Depuis que je suis arrivé, je joue tous les matchs. Est-ce qu'il y a une différence entre Ligue 1 française que et Super Ligue que Oui, La comparaison entre France et euh, Turquie, La Turquie c'est un championnat qui a un rythme, un engagement. Donc le championnat est metti na trop, metti na metti jour yu baax. Zarko lu tax kenn gisatu ko ci tanière bi. waaw def lu sélection équipe nationale donc je suis un joueur sénégalais comme donc je joue dans mon club après coach et je respecterai ce choix aussi. Zarko est-ce que mi ngi am yakar en sélection. Ah na Coupe d'Afrique 2019 donc c'est important aussi pour le Sénégal donc euh, je joue dans mon club je prépare prépare, si mon pays a besoin de moi si on m'appelle je viens donc euh, c'est notre nation et on va se battre pour le Sénégal donc si le pays a besoin de ses enfants on doit venir vite.